Salam Nous sommes euh, à Goudomp, dans la région de Sédou, pour la troisième phase de la campagne euh, Ramadan de Sakouyou, qui consiste à délivrer euh, aux populations des darins qui leur permettent de faire le Ramadan dignement. Les populations ont répondu présent pour recevoir leurs dû, parce que c'est quelque chose qu'Allah il leur a gratifié à travers les généraux de que vous êtes. mbokk yi indi fi xewal bi am na lu ma lu ma gën frappé ci seeni défini bi yàgg naa ñu yore fi jote fi ay ay ndimbal mais musul mel nii parce que euh, façon ñu ko defee dafa leer trop ku nekk boo demee kër euh, di nga kontaan parce que ndimbal bi mënu nga ko yeewoo mënu nga ko jëfandikoo ay fan bëre

on est satisfait aujourd'hui quoi. On sera comment on va couper les jeunes aujourd'hui. Vraiment c'est satisfaisant, ça fait le coup. Ça m'a fait une semaine Parce que nous sommes les débrouillards, ah, on va faire plusieurs C'est très important et comme il le dit, avec sa famille, ils peuvent vivre avec, euh, avec vos produits, ils peuvent vivre là pendant une semaine. Hmm. Donc cet élan de solidarité est très important pour lui et toute cette communauté que vous voyez derrière. yokk weer bi ak wërsëg bu bëre yàlla na yàlla yaatal ñu lu bari lii kay moom xanaa kontaan kontaan nañ bu baax am sen seen fay waaye yàlla yor na seen fay yàlla na yàlla fay leen. lii kay moom mun na maa dimbali ba ba fukk fan ak juróom daal. ñu ngi leen di ñaan guddi fan ak wér gi yaram. waaw ak njabootu bu am barke. ak guddi fan ak wér gi yaram. force partage étape 3 en Casamance. à quelques 600 km de Dakar. Donc voilà, frères et sœurs, profitons. On est dans les 10 meilleures nuits de l'année, les 10 meilleures nuits de Ramadan. Profitons, nous qui ne pouvons pas nous lever pour beaucoup de raisons, par rapport au boulot, par rapport à d'autres responsabilités. Profitons, Et donc ces villageois à tenir debout la nuit, à veiller invoquer Allah à adorer et nous pendant qu'on dort, parce qu'on a du boulot à faire le matin ou autre chose, Allah SWT nous fait récolter des hasanats. Voilà la porte est ouverte, force du partage étape 3, il restera éventuellement étape 4 et 5, on compte sur vous. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون